symbole bi l'université, université Gaston Berger de Saint-Louis suis maintenant pour essayer de recueillir l'impression ñi nga étudiants pour nous wax ñu euh, impression une xalaat match bi Sénégal a joué mu décroché son ticket pour le ème de finale dimanche le 4 décembre. concernant le match Sénégal Angleterre man sama favori Sénégal puisque puisque Sénégal a ay joueurs qui sont capable jouer dóor équipe bu mondial am joueurs yo xamanteni ils ont déjà joué la Ligue des Champions am ñoo xamanteni jël nañ Ligue des Champions bi té euh, je veux dire que nous avons des joueurs. et puis amna ñu plus de 10 euh, joueurs. yu nekk championnat Angleterre c'est cette équipe Sénégal kon Amu dara luy envoyé en euh, Angleterre. oui parce que Angleterre so cette cette équipe bi ñu bëri Champions League lañ ne té Sénégal am nañ joueurs yo xamanteni tamit ñu ngi tassé ak ñom Champions League kon système bu ñu fubale du ñu jaaxal ndax ñun mos nañ système yépp voilà Ibadou moom yéen a jig Sénégal quoi léegi nag xaalis ma Sénégal Angleterre. Ah, pour le match, je suis très confiante parce que Sénégal, c'est une grande équipe comme Angleterre. am complexe vis-à-vis de je suis très confiante. Sénégal Angleterre euh, match là. bu du match mais quand même euh, euh, on on a on a confiance quand même à l'équipe nationale du Sénégal et on espère quand même remporter la victoire match bi ñu ngi koy wajal ñu ngi koy wajal comme ñun ñëpp comme n'importe quel sénégalais té li ñuy ñaan moy Sénégal vraiment am si ben ndam quoi si kaw Angleterre. loo pare looy match Sénégal contre euh, Angleterre dimanche Inshallah. Non nu ma ah pour l'instant je suis sceptique de peut-être qu'on va gagner mais bon sur le papier ils sont. scepticisme nga laal dé ah wa ndax lan. sur le papier ils sont favoris donc. ils ont une équipe, je pense, qui est plus capable de pousser que nous. Peut-être qu'ils vont gagner comme on parle du foot, on n'est jamais certain, donc peut-être qu'on va gagner. Mais comme le Sénégal, il qualifié quart de finale, demi-finale, Inch'Allah, pour finale. Si on est face à c'est possible. Le hein. ah, Sénégal, Sénégal, vous jouez pour face à Non, s'ils sont encore plus déterminés, s'ils montrent plus d'abnégation, euh, forcément, ils vont gagner, je pense bien. Les pas en vie, là, quoi. waaw Sénégal Angleterre de un match bu neex a ndax Sénégal da ngaa jàppee ni waa Angleterre moo ko doole mais boo xoolee le nombre de joueurs yi joueurs dóor lañu 11 joueurs